va nous permettre de travailler dans le département de Thiès en direction non seulement euh, du référendum, mais en direction des prochaines échéances que nous comptons gagner et vous savez qu'on va les gagner. Je vous l'avais dit à Fanden et je vous dis qu'on va le gagner. On va les gagner, on va gagner le pari. Je demande à tous les journalistes de comprendre que il est temps que l'on sache que c'est pour l'intérêt des Sénégalais que nous sommes là. Uniquement pour l'intérêt des Sénégalais. Disons tout simplement qu'il faut travailler en direction de la cohésion entre les groupes. Mais il faut éviter de sortir des informations qui n'ont pas leur raison d'être. Tcherno et moi, nous sommes des amis, nous le resterons. Vous savez que je n'ai jamais changé. Et vous ne m'entendrez jamais dans la presse dire du mal de quelqu'un, même en aparté. Je pense que c'est comme ça que nous avons été formatés et je pense que ça doit être une leçon pour tous. Nous travaillons en direction du référendum que nous allons gagner largement. Euh, je ne pense pas. Je vous je ne pense pas du tout, parce que vous, avez vu ce qui s'est passé, vous savez ce qui... Dans le département, dans la zone rurale, vous savez que l'ensemble des maires nous soutiennent, <laughs> donc ça m'étonnerait qu'il y ait, euh, n'est-ce pas, une, mauvaise participation aux élections. Je pense qu'elle sera bonne. En tout cas, nous travaillons à cela et les Sénégalais vont nous écouter. Je viens de, de ma campagne. J'étais en train, j'étais à Taofal, j'ai fait euh, donc, Kër Daoud Cissé, j'étais dans le Fanden tout de suite là. Euh, je pense que les gens sont prêts. Ils m'ont dit, dites-nous ce qu'il faut dire et, on va le faire. Euh, je pense qu'ils vont faire parce qu'il y a un problème de confiance. Au-delà de tout ça, il y a un problème de confiance. Parce qu'ils savent que le président travaille pour eux. Et 2019, c'est pas loin. Hein. D'ici 2019, je pense que... Pourquoi un japonais sénégalais Donc, demain, je vais vous di sénégalais yi li voté 15 points ils ont décliné réforme bi yakarna moy tax ñuy euh 15 points yoyu yakarna a dinañu ko décliner ñëpp dinañu ko am mais ñi ci ëpp solo moy ni sénégalais bi citoyen sénégalais dañu ko bëgg jox ça c'est un point très important assemblée nationale dañ koy jox parce que jusque là contrôle euh, euh, de du gouvernement fait de manière effective mais aujourd'hui l'assemblée nationale assemblée nationale dina am donc un contrôle ci assemblée ci ci ci gouvernement bi loolu am solo la président assemblée nationale gën nañu ko may gëdd président assemblée nationale aussi euh ci juróom-ñaari euh juróom-ñaari membre du conseil constitutionnel président waxna pour que ñu jox ko ñaar ñu muy tan yakarna ça c'est une avancée démocratique loolu kenn mënu ko kenn mënu ko bañ. mais loolu leerul ci xelu askan ñu bari est-ce que la mooy sen taxaway fi léegi élection taxawaay bi moy ñëw waxtaan ak nit ñi expliquer leen exactement lan mo nekk ci biir donc euh, euh réforme yoyu té amna yaakar ni buñu ñu ak nit ñi parce qu'ils nous font confiance buñu ñu ak ñom dinañ leen wax lan mo ci nekk njariñ bi ci Sénégal am ak njariñ bi nga xamni suñu doom yeeg suñu sët yi duñ ko ci am ma ngi leen di gërëm di leen sant ñëpp sa diggante ak Thierno Sall léegi euh, jàmm moo ci am té jàmm mo ci waram mo ci war mo ci waram té am mo ci am xana wax leen journaliste yi rek ngeen japp ci mais am naa yaakaar ni fi mu ne nii bi gannaaw ñu président oowee yaakaar naa ànd rek moo moo far am te incha allah dina en tout cas nous sommes dans les dispositions